nous sommes à Mboro Daru, plus précisément Defi, Ben benn état bu ndaw askan Ba il est 14 h ici à Daru. le président Ousmane Sonko s'apprête à dire quelques mots s'affronter uniquement avec euh, ñi nga Nyomnyoy, ne et probablement de donner sax waxtu discours juste juste euh, y la I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it.